le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Le forum de Studio Kalangou, c'est tout de suite votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, tous les soirs, où nous débattons de sujets brûlants de l'actualité. Vous êtes toujours à l'écoute du Studio Kalangou. Il est 18h passé de 15 minutes. Diallo Maria Makenda à ce micro. Bienvenue à tous. Deux jours après l'élection de Donald Trump, les réactions continuent de se faire entendre. Certains estiment que le nouveau président américain favorisera plus les États stables qui ont des dirigeants forts au détriment de ceux ayant des institutions fortes. D'autres pensent par contre que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis n'aura aucun changement vis-à-vis des pays pauvres car l'Amérique protège toujours ses intérêts. Vous les entendrez dans ce studio. C'est la période de l'Armatan. Ce vent du nord est très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière. Une période propice aux maladies de toutes sortes. Rhinite, sinusite et bronchopneumopathie. Nous verrons comment protéger les enfants de bas âge. Nous irons également à la découverte du triathlon, un nouveau jeu qui a été admis en 2000 aux Jeux olympiques lors des JO de Sydney. Il n'est pas assez connu par le public nigérien. Bonsoir à tous et à toutes le candidat républicain Donald Trump est élu 45e président des États-Unis d'Amérique, élection très suivie tant en Amérique, tant en Afrique que dans le reste du monde. Selon El Hadj Suleiman Mahamadou, un Nigérien ayant vécu plus de cinq ans à New York, la défaite de la candidate démocrate a été une surprise à travers le monde entier. Alaï Suleiman Mahamadou, bonjour. Bonjour. Vous étiez resté euh, aux États-Unis d'Amérique et vous avez suivi comme beaucoup de citoyens du monde hier l'élection du 45e président euh, des États-Unis d'Amérique. C'est une surprise ou bien c'est dans le cadre normal des choses plus qu'une surprise, moi ce matin, dans un post sur moi, mon profil Facebook, je parle d'éclipse de la raison. Tout se passe comme si, avec cette élection, que la raison a véritablement déserté les consciences des Américains. Pour dire la réalité qu'il y a une surprise, euh, non seulement les instituts de sondage, les analystes, ont été véritablement, ont eu en tout cas un désavoué très sanglant. On ne voyait pas vraiment du tout, alors là, pas du tout venir la, cette victoire, en tout cas cette surprise. Mais bon, euh, c'est aux États-Unis, euh, il arrive une femme, effectivement, ça allait être aussi une surprise pour le monde, mais lui aussi, vu son profil euh, atypique, c'est un véritable outsider, quelqu'un qui était inconnu, en tout cas, et avec tout ce qu'il a comme, je veux dire, profil négatif à l'endroit des femmes, c'est un misogyne, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un vraiment qui ne prennent pas les valeurs, euh, qui n'est pas vraiment dans, la logique du politiquement correct. Aujourd'hui, on se réveillait euh, vraiment avec une surprise. En tout cas, maintenant, vous avez appris qu'effectivement, au niveau des bourses, euh, déjà, en tout cas, les bourses sont, en chute parce que simplement, le monde entier est vraiment surpris. J'ai entendu un ambassadeur de France qui parle d'un monde qui s'effondre. Effectivement, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, le monde se pose beaucoup de questions. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Euh, justement pour avoir justement résidé à, à New York, euh, je me pose la question à Manhattan par exemple au niveau de la communauté noire, parce que véritablement il y a comme si euh, un retour à l'histoire, en tout cas un recul, euh, ces tensions, cette fracture sociale, en tout cas, où déjà avec le discours euh, pendant toute cette période-là, déjà, non seulement contre les minorités hispaniques, noires, contre les musulmans, c'est les valeurs effectivement sur lesquelles ce populisme là a fait campagne. Donc aujourd'hui, j'imagine que au niveau de la communauté, donc des minorités noires et hispaniques, vous le savez, effectivement, il dit qu'il va en fait faire partir tous ces immigrés ce qui est déjà irréaliste parce que le faire allait lui coûter 615 milliards euh, de dollars. C'est-à-dire que quand on sait effectivement que ça, c'est vraiment à contre-courant de l'histoire parce que l'Amérique, elle est faite par les immigrés. Aujourd'hui, c'est effectivement ces immigrés qui font l'Amérique. Donc, euh, dire qu'effectivement qu'il ne va pas véritablement les accepter, je pense que c'est un problème. Et l'autre aspect, justement, aujourd'hui, l'autre regret du monde, c'est les acquis, justement, que le président Obama, pendant ses deux mandats, en tout cas, a laissé euh, je pense, à qui donc cette euh, sécurité sociale qui consisterait justement à permettre aux plus pauvres d'accéder en tout cas à un minimum euh, donc en matière donc de soins de santé. je pense que véritablement à la généreuse politique de Obama sur l'immigration, qui voudrait même en fait en faire une loi justement pour euh, les acquis de ce monde-là qui construit ce pays-là, même s'il a été justement mis en échec par le Congrès parce qu'il était bloqué. Il a même essayé de procéder par décret l'ont bloqué. Bref, euh, cette politique aussi de dialogue avec le reste du monde, tout le monde sait qu'avant l'arrivée d'Obama avec Bush, le monde musulman était véritablement n'était pas du tout confiant avec euh, la politique des États-Unis. Aujourd'hui, avec, avec Donald Trump, franchement, on se pose des questions. Euh, Hillary Clinton, beaucoup de médias et beaucoup de sondages la donnent victoire. Mais qu'est-ce qui a concrètement joué en défaveur de Hillary Clinton Véritablement, euh, entre autres éléments qui viennent à l'esprit, euh, d'aucuns pensent que le FBI a vraiment lésé, en tout cas, euh, cet, cet acte-là, effectivement. Parce que vous voyez tout de suite, il a suffi justement que le FBI sorte justement cet élément pour mettre en doute la situation de cette dame pour qu'effectivement son adversaire monte dans les sondages. Donc ça, c'est un élément vraiment qui a apaisé, je pense, d'une certaine façon. Mais aussi de l'autre côté, il y a que, vous savez, euh, le lobby franchement les hommes politiques aux États-Unis. Donc on dit que le lobby a apaisé de tous, de, tous les moyens. Dans tous les cas, l'un de l'autre, c'est une surprise. Cela veut dire qu'en réalité, ici, c'est le fondamentalement de la politique parce que je pense que, en tout cas, c'est très, très euh, sérieux euh, d'un point de vue théorique, euh, les instituts de, son, sondage viennent d'être remis en cause. Les analystes politiques, en tout cas les plus en, en vue, leurs analyses en tout cas sont tombées à l'eau. Donc véritablement, je pense qu'on attend des spécialistes euh, d'autres arguments pour expliquer justement ce qui est arrivé ce matin. Trump a gagné la présidentielle, Trump a gagné le Sénat, Trump a gagné la Chambre des représentants. Est-ce que ça s'explique je pense que vraiment c'est une aubaine et une grande chance politique que Obama n'a pas eue. Mais il faut quand même euh, le reconnaître. Euh, euh, j'ai suivi son discours après élection. Et, il n'était pas du tout en harmonie avec son propre parti. Donc rien n'est gagné d'avance parce qu'il doit faire un effort maintenant véritablement pour donc harmoniser ses rapports avec son parti. Aux États-Unis, on le sait très bien, effectivement, et malgré tout, comme c'est une grande démocratie où euh, euh, le pouvoir du chef euh, de l'État est, limité et que malgré qu'on soit démocrate ou, républicain, il y a des fondamentaux, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, à savoir que les gens de ton propre bord sont justement à mesure de te bloquer parce que simplement ici, là-bas, c'est pas un peu vraiment comme un peu en Afrique, une démocratie tropicalisée. Les gens mettent en avant vraiment les intérêts supérieurs de la nation. Les gens aussi veulent respecter en tout cas l'essentiel, à savoir que ils sont élus par les gens, ils tiennent véritablement à ne pas trahir euh, les gens qui les ont, élus. Euh, mais je pense aussi l'autre aspect, c'est que malgré justement cette, euh, chance pour lui, c'est que aussi la politique aux États-Unis, notamment la politique extérieure, il y a des constantes. Parce que toute la question aujourd'hui, c'est vrai, il a dit aujourd'hui une première qu'il va travailler avec le reste du monde. Il a rassuré en tout cas un discours rassemblement au niveau des États-Unis. Il a dit qu'il va travailler avec tout le monde. Il a même été très galant à, l'encontre de sa adversaire. Il a dit qu'il a promis d'emprisonner. Mais ce matin, en tout cas, on a senti un homme, euh, le populiste en tout cas, qui commence maintenant à revenir au bon sens, à faire un discours d'un homme euh, politique, d'un chef d'État, en tout cas rassembleur. Euh, mais je pense que le plus important, malgré cette chance pour lui comme vous l'avez dit, donc d'avoir en même temps donc l'exécutif euh, et donc le Congrès, le Sénat, tout ça. Mais rien n'est gagné d'avance parce qu'il doit faire avec les fondamentaux de la politique, à savoir les intérêts des États-Unis. Parce que si jamais il se comporte en populiste comme pendant la campagne, euh, euh je pense qu'il risque beaucoup pour son mandat et véritablement aussi les États-Unis pas seulement les États-Unis, parce que l'inquiétude du monde aujourd'hui, il y a des, aspects non seulement euh, économiques, mais aussi euh, de, de, la diplomatie internationale, où véritablement, si trompe, ne se met pas à jour en tenant compte peut-être des conseillers, en tout cas, parce que dans tous les cas, un chef d'État, euh, particulièrement dans les grands pays comme aux États-Unis, c'est un système qui est là, donc il y a des, experts qui sont là. Il va mettre une, équipe qui va vraiment le sensibiliser que on n'allait pas le laisser, en tout cas, dans, les, dans, sa voix Et tout le monde sait que, véritablement, on entend les experts dire que son programme, il est ambigu. Cela veut dire qu'en réalité, c'est un coup de chance. Il est là. C'est maintenant véritablement qu'on va savoir si les à même d'assumer euh, ce que d'un chef d'État, parce que Obama a, a, en tout cas insisté, comme personne d'autre ne l'a fait en tout cas en tant que chef d'État, pour dire au monde en tout cas dire aux Américains que Hillary est plus qualifiée que ce monsieur d'en face. Malheureusement, on voit ce qui vient de se passer. Bon, euh, on peut aussi dire qu'en tout cas, c'est un des aveux aussi pour, Obama. Peut-être que les huit ans d'Obama, effectivement, euh, n'ont pas tenu la promesse euh, donc de leur fleur. c'est aussi cela, en tout cas, celui qui est sanctionné aussi d'une certaine façon. Mais dans tout cela, moi, quand j'essaie de voir au niveau donc du contexte américain aujourd'hui, l'inquiétude, c'est vraiment les tensions, cette fraction sociale, en tout cas, où véritablement véritablement tout celui qui suit l'histoire des, États-Unis et qui a vécu vraiment là-bas, tu vas voir qu'effectivement, euh, ce pays-là, il est vraiment fait par les immigrés. Les hispaniques, les minorités noires, vous ne pouvez pas euh, que, euh, remettre en cause tous ces, tous, ces acquis. Alaï Suleiman, faut-il craindre une probable montée islamophobe ou bien l'attention raciale à partir du moment où le candidat, il a dit euh, euh, intelligente voix que lui, s'il venait au pouvoir, il va empêcher aux musulmans de, de, de, venir aux États-Unis et peut-être euh, chasser les musulmans des États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas une attitude dialogique, c'est tout simplement une vision un peu autarcique, fermée, ce qui véritablement, quand on voit ce qu'Obama a fait de ce point de vue-là, il a mis en confiance le monde des musulmans malgré tout. Mais aujourd'hui, c'est le temps, ce que là vraiment, euh, vous comprenez bien qu'effectivement, ça va durcir euh, euh, le camp. Il va, en fait, je veux dire, booster le terrorisme, en tout cas, ou bien des attitudes anti-américaines. Donc, ce qui fait que, véritablement, de ce point de vue-là, on va vraiment l'observer, même pas le monde musulman, les, Occidentaux, les Occidentaux eux-mêmes observent. Aujourd'hui, l'autre, euh, en fait, hypothèque pour Trump, c'est que, par exemple, on voit la position de la Russie lui, il dit qu'il y a une sorte de complicité entre lui et, Poutine. Et tout le monde sait qu'effectivement, si jamais il s'accoquine avec euh, Poutine, les Européens, en tout cas, euh, vont se voir dans une situation de co collusion avec euh, les États-Unis. Et vous comprenez bien qu'effectivement, ça va changer la carte diplomatique au niveau international. Et tout est possible parce que son adversaire, il a dit qu'il prévenait effectivement qu'il pourrait mettre le monde en danger, en danger parce qu'un principe, juste pour son ego, ne peut provoquer une guerre. On espère bien qu'effectivement, euh, ce n'est pas le cas, c'est juste euh, une adversaire, en tout cas, qui voudrait bien le, euh, le, discréditer. Quoi. Vous venez d'entendre Elad Suleiman un Nigérien ayant vécu plus de cinq ans à New York. Écoutons à présent Abdelmoumouni Biyaro. Il est Nigérien vivant dans l'État d'Indiana. Il a été joint par notre reporter Abdoulaye Mamoudou après une élection, il y a toujours des mécontents. Il y a aussi d'autres qui manifestent leur joie. Nous sommes en démocratie et la démocratie a triomphé, le peuple a tranché. Il faudrait que chaque démocrate l'accepte. Ici aux États-Unis, c'est comme ça. C'est une tradition. Il y a les coups bas, il y a les slogans, il y a toutes sortes de choses que personne n'imaginait dans les campagnes. Après ça, moi, travailler ensemble. Il semblerait qu'après la proclamation des résultats, le camp de Clinton avait fait une marche de protestation. Qu'en est-il réellement Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le camp de Clinton. Il y a toujours des extrémistes, des gens qui pensent que Trump n'avait pas le profil d'être président. Ces gens l'ont manifesté. Quand, vous tu regardais ses campagnes, il y a toujours des troubles. Même Mme Clinton, quand elle faisait ses campagnes, il y a toujours des anti-Clinton qui percevaient ses campagnes. C'est ce la force des Américains. Ils vont s'entendre tout de suite. Le président élu, M. Trump, prendra fonction en janvier et vous verrez ce que ça va donner. Le fait de dire on va renvoyer les gens, on va faire ça, ça, c'est des slogans de campagne. Ça, c'est bien. Il a une équipe formidable qui a pu mettre des idées formidables pour faire basculer la tendance à son côté. Ça a été une surprise. Personne ne l'imaginait au monde. J'ai dit que personne. Mais selon vous, qu'est-ce qui a pu faire basculer ces résultats-là, selon votre analyse C'est les mots. Et puis bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu, il n'est jamais rentré dans la politique. C'est un milliardaire qui fait son business, il est connu de tout le monde, il a véhiculé des idées populistes que certains pensent que c'est des idées extrémistes. et il a gagné. L'élection de Donald Trump a complètement déjoué les pronostics. Comment est-ce que vous vivez cette situation en tant que Nigérien vivant aux États-Unis Pour Moi, je suis serein je souhaite euh, une bonne chance le président et son équipe. Ici, nous sommes dans un pays de droit. Vous n'avez pas peur d'être expulsé d'un jour à l'autre Mais les étrangers, on les expulse chaque fois en fonction de leur, euh, de, de, Quand tu commets un acte, un crime ou quelque chose, on te euh, rapatrie. Obama, c'est le président le plus qui a rapatrié plus d'illégaux que n'importe quel président américain. Dans son régime à 8 ans, le nombre de personnes qui ont été rapatriées, africains, mexicains, je immigrés illégaux, aucun président américain n'a jamais fait ça. Aucun président américain. Au cours de la campagne, Trump a quand même promis de faire des expulsions en masse. Ça, c'est des idées populistes qui a éveillé le démon. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays où les Blancs sont majoritaires. Il faut le reconnaître. Quand ils sortent, et surtout les religieux, quand ils sortent changer la balance, ils vont changer la tendance. Quoi qu'il en soit, certes, il y a les minorités et leurs droits sont respectés. Hein. Les droits des minorités sont bel et bien respectés. Il n'y a pas un pays où on respecte l'être humain que ici aux États-Unis. Je veux vous le confirmer. Je dis et je le répète, l'arrivée de Trump ne va rien bouleverser le monde ou les États-Unis parce que c'est le Congrès, c'est le Sénat qui vont décider de, l'exécution de son programme. Ce n'est pas comme en Afrique où quand un sénateur ou un député refuse de voter le programme présidentiel, il craint pour sa vie ou pour sa survie politique. Ici, part. c'est différent. C'est les États qui décident. Monsieur Abdelmoumouni, dans quel état d'esprit se trouvent euh, les étrangers Ne craignent-ils pas des mesures impopulaires Il y a peur partout le monde le savent, et même pas les étrangers seulement. Même aujourd'hui, les grandes puissances européennes civilisées se demandent qui est l'homme. C'est un inconnu de la vie politique. Je vous dis, il n'a jamais fait la politique. Monsieur Abdelmoumouni, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de chance. Propos recueillis par notre reporter Abdoulaye Mamoudou. Du côté des partis politiques nigériennes, des voix s'élèvent également, selon El Hadi Doudou Rahma du MNRD Hankouri, parti membre de l'opposition nigérienne. Il n'y aura aucun changement vis à -vis des pays pauvres, car l'Amérique protège toujours ses intérêts. C'est un peuple euh, très mûr qui a installé une démocratie aussi exemplaire dans le monde. Certes, dans chaque démocratie, il y a des couacs, il y a des hauts et des bas. Mais le peuple américain, c'est-à-dire euh, l'Amérique, c'est une puissance. Elle dépasse nos petites isanies euh, africaines et quelque part dans le monde. Nous souhaitons seulement que ce candidat essaye de cultiver la paix dans, ce monde si bas. Nous souhaitons que ce candidat essaye de combattre l'injustice dans notre monde, dont souvent les dirigeants pensent qu'ils sont au-dessus de la loi fondamentale. Les élections américaines, euh, souvent, ça donne un bouleversement dans le monde. Nous avons chaque fois une sorte de bouleversement. Dès qu'il y a les élections américaines, euh, le monde entier est branché de l'autre côté. Quelle puissance Parce que l'avenir du monde, c'est de l'autre côté. Euh, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire que féliciter et nous allons observer qu'est-ce que M. Trump, président des États-Unis de l'Amérique, de quoi est-ce qu'il est capable lui aussi de faire nous allons observer. Pendant longtemps, nous suivons cette campagne, combien elle est chaude, combien elle est attirante. Ça attire le monde. Et ça, c'est pour nous, le reste du monde, un exemple pour nous autres politiciens. Certes, c'est difficile dans nos pays, dont souvent les puissances euh, sont en train de tourner et jouer avec ça comme ils veulent pour des positions géopolitiques. Je les comprends. Mais quand même, nous allons attendre de voir qu'est-ce que M. Trump est capable de faire. Alors, euh, pensez-vous que ça peut apporter des changements au niveau de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique, en particulier le Niger. Ça peut changer, c'est des stratégies, chacun son intérêt. Puis vous savez, chaque État, chaque régime, quand il arrive, il travaille avec le moment et ce que le temps lui avait réservé comme euh, avantage et inconvénient. Vous voyez aujourd'hui le monde entier est en train de traverser une crise, une crise financière, une crise sécuritaire. La planète est secouée aujourd'hui euh, par nous autres politiciens. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Amérique peut apporter beaucoup dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de la crise financière, parce que c'est un pays immense, c'est un pays qui voit le monde comme un homme avec euh, une fourmi qui circule autour de sa fourmilière. Donc vous voyez, pour nous autres, euh, nous croyons que ça va changer dans un sens ou dans l'autre. Nous le croyons. Nous allons attendre de voir que ça va donner, mais nous sommes sûrs que ça va changer. Ça peut changer dans le bon côté comme ça va changer, ça peut changer dans le mauvais côté. Ça, nous l'avons suivi dans sa campagne. Est-ce que Barack Obama a pu faire quelque chose Oui, euh, Barack, euh, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux, Barack Obama. Nous le félicitons aussi d'avoir euh, fini son mandat. Vous voyez, euh, la politique américaine, il n'y aura pas un grand changement dans le monde, c'est-à-dire seulement euh, ses intérêts, l'Amérique est en train de protéger ses intérêts partout dans le monde. Nous avons pensé pendant Barack, il y aura au moins une accalmie sur le plan paix dans le monde. Vous voyez, la, guerre a accéléré, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la guerre en, Irak, ça a continué, la guerre euh, partout dans le monde. Il n'y a pas eu, là où au moins on a éteint le feu, partout ça brûlait, même dans nos pays africains. Donc euh, nous, nous avons pensé que pendant Barack, il y aura au moins ces feux-là seront un peu éteints, au moins les feux seront éteints. La politique américaine sur ce plan-là, ça ne change rien. Sur le plan international, ils ne font que protéger les, les intérêts américains. Moi, ce que j'avais pensé, peut-être sur le plan économique, nous aurons au moins un changement parce que le monde est trop coincé par ce problème-là. Tout président américain qui vient, c'est pour les intérêts des Américains. Mais seulement c'est que la différence entre la campagne de Barack et celui de Trump, Trump nous a fait un peu peur, nous les Africains. Le fait de dire... Euh, euh, des propos qu'il a tenus contre les musulmans, contre les immigrés, contre ceci, contre cela, tout ce, tout ce qui n'est pas américain. Vous voyez, donc ça, nous a un peu donné une sorte de chair de poule. Voilà pourquoi, bon, je sais que, bon, peut-être ça c'est la campagne, mais je suis sûr que ce que le blanc a dit, c'est ça qu'il va respecter. Mais il va rien changer dans ce qu'il a dit là. Il va appliquer ce qu'il a dit parce que les électeurs l'ont élu par rapport à ce qu'il dit. quoi qu'on dise, euh, il faut une sorte de coopération entre le sud, le nord, l'est, l'ouest. Il le faut. Les immigrés sont partout. Il est là pour euh, protéger les intérêts américains. Tout ce qu'il va faire, c'est dans les intérêts américains pour lui. Même si ça va essayer de causer des préjudices pour le reste du monde, mais c'est l'Amérique pour lui, c'est l'Amérique. Donc euh, maintenant, c'est à nous autres maintenant de changer aussi et de réfléchir comment nous allons essayer de développer notre politique internationale. Parce qu'on ne va pas rester comme ça, bouche bée, regarder les Américains font, nous nous en train de regarder. Il est temps que l'Afrique maintenant, on essaie de réfléchir et d'aller dans le bon sens. Pas parce que tu es pauvre que tu ne réfléchis pas. Il faut réfléchir aussi, voir dans quel sens s'en sortir. Le coordinateur des partis non affiliés en Bali, Dodo Umaru, lui estime que le nouveau président américain favorisera plus les États stables qui ont des dirigeants forts au détriment de ceux ayant des institutions fortes. L'élection de Donald Trump a beaucoup surpris les Africains, surtout et nous les Nigériens, parce que en suivant la campagne électorale euh, américaine, les pronostics ont donné Hillary Clinton comme étant euh, favorite. À la surprise générale, euh, c'est son adversaire qui a été élu. Et donc, partant de cette surprise, nous sommes donc dans l'obligation d'analyser cette nouvelle donne avec beaucoup plus de recul parce que la coopération entre les États-Unis et, le notre pays, elle risquerait de connaître un nouveau visage. L'administration Obama a plaidé pour l'instauration des institutions fortes au lieu des personnes fortes et pour Trump, je pense bien que ça va être le contraire, parce que lui-même, c'est un homme fort qui veut être à la tête d'une nation puissante. Alors, Trump accordera inévitablement et beaucoup plus des priorités, n'est-ce pas, à tous les pays qui ont à leur tête des personnalités et des leaders, franchement, qui sont forts et dont les États sont stables. Trump au pouvoir, qu'est-ce que ça peut apporter pour le Niger Pour le Niger, euh, on ne doit pas s'attendre à grand-chose, sauf que peut-être Trump va s'impliquer beaucoup plus dans la lutte contre le terrorisme. Le grand problème qui se pose euh, avec l'enlèvement du citoyen américain, sur notre territoire et avec l'ambition de Trump d'éradiquer le terrorisme, alors quelles seront les conséquences sur notre État, sur notre nation et sur la coopération entre le Niger et les États-Unis. Parce que le Niger est devenu très malheureusement le carrefour de tous les terrorismes en Afrique. à l'Est, nous avons le phénomène de Boko Haram. À l'Ouest, nous avons le phénomène des djihadistes. Donc finalement, et on, se demande quelle est la capacité de notre pays à convaincre l'administration américaine sous le régime de Trump d'aider notre pays à faire face à cette insécurité-là. Et au-delà de l'insécurité, et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est notre économie. Quelle est notre capacité à participer au développement économique à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Parce que les rapports de Fox font en sorte que c'est les plus grands qui gagnent dans les échanges internationaux. Le Niger est un petit pays, alors comment travailler pour convaincre les investisseurs américains à s'installer sur notre territoire Comment créer les conditions favorables pour que les produits nationaux puissent trouver des débouchés sur les marchés américains. Voilà quelques préoccupations aujourd'hui qui nous tiennent à cœur et que nous espérons que nos autorités vont partager avec l'administration Trump afin que le Niger puisse profiter valablement d'un inévitable renouveau sur le continent américain et même sur toute l'humanité parce que les ambitions de Trump, je suis sûr, vont marquer un renouveau, n'est-ce pas, au niveau de la coopération internationale. Si le Niger doit s'attendre, n'est-ce pas, donc à des facilités de la part de Trump, moi je, me suis dit que le Niger risquerait de se tromper. Dans sa campagne, euh, il parlait des musulmans, de l'immigration. Est-ce que vous croyez que tout ce qu'il a dit durant la campagne, là, il pourra mettre ça en œuvre Trump, qui s'est révélé euh, comme un candidat populiste, effectivement, a trouvé un terrain très favorable pour avoir plus de points sur sa rivale. Donc, il a touché les points les plus sensibles, à savoir le phénomène migratoire, à savoir le terrorisme international, avec surtout et ce qu'ils appellent le phénomène des islamistes qui sévit dans leur pays et à savoir également la place que certains investisseurs étrangers occupent dans leur économie. Donc tout ceci, en réalité, c'est des arguments de campagne, mais il va s'ébiter à beaucoup d'obstacles parce que l'économie américaine, c'est une économie très ouverte. C'est une économie libérale. Comment l'administration peut-elle intervenir dans une telle économie Ça va être extrêmement plutôt difficile. Alors, du point de vue euh, et réforme, je suis sûr que au tout début, Trump risquerait de rencontrer beaucoup d'obstacles même si par ailleurs il a la chance d'avoir la majorité au niveau du Congrès américain. Mais de quoi qu'il en soit, l'interventionnisme va constituer, n'est-ce pas, la première source de discorde entre lui et les sénateurs, entre lui et les représentants, plutôt et les membres de la Chambre de, comme des représentants, et entre lui et même les citoyens américains. Parce que les États-Unis ne sont pas forcément, n'est-ce pas, des États de guerre. C'est des États, c'est plutôt, c'est une puissance mondiale, une puissance économique mondiale qui a beaucoup plus besoin d'une stabilité. Nous avons vu des anciens régimes républicains qui se sont révélés comme étant des régimes très puissants, mais qui ont malheureusement traumatisé et les citoyens américains et les citoyens des autres pays du monde. Alors, si Trump s'aligne sur la, cette logique de guerre, il risquerait également de perdre vers la fin de son mandat beaucoup plus de crédibilité et de popularité. L'administration Obama n'a pas en réalité échoué, c'est-à-dire la victoire de Trump ne constitue pas un aveu d'échec de l'administration Obama. Plutôt, avec ses arguments de campagne, elle a réussi à renverser la situation, n'est-ce pas, au dernier moment. Propos recueillis par Soumana Amadou. Autre question, parlons santé maintenant. C'est la période de l'armatan. Ce vent du nord-est très chaud le jour, puis froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière, une période propice aux maladies de toutes sortes, rhinite, sinusite et bronchopneumopathie, particulièrement touchés les nourrissons et les enfants de bas âge, en bas âge. Pour les protéger, écoutons les conseils du docteur Mamman Hima, consultant en santé environnement. C'est vrai, euh, à cette période de l'année, on remarque quand même euh, une augmentation des consultations médicales, donc la fréquentation des services de santé par les mères euh, qui en général amènent les nourrissons et les enfants de bas âge qui ont des maladies bronchopulmonaires et ORL. Alors de bas âge, quel âge Là, nous pouvons parler des, des nouveaux-nés par exemple, euh, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, donc à 30 mois, et aussi euh, les enfants en âge de scolarisation, donc euh, qui varie entre 7 ans et 12 ans, par exemple. C'est un fort moment où euh, nous avons des grandes consultations au niveau des services de santé pour tous ceux qui touchent l'appareil respiratoire et ORS. Parce que vous savez, à cette période de l'année, nous avons une baisse de la température nocturne surtout, et ça jusqu'aux premières heures de la journée, 18 8 heures le matin, on constate quand même qu'il y a une baisse de la température. Classiquement, au Niger et dans les pays sahéliens, les températures tournent autour de 35 degrés, voire 40 degrés. Mais à, cette, à ce moment de l'année, en fonction des zones, dans la bande sud du Niger, toute la région du fleuve qui va jusqu'à Gaïa et à l'extrême est du Niger, Difa, Maradi, Zender, on constate quand même que les températures nocturnes sont extrêmement basses. Et cela euh, s'accompagne souvent de vent et compte tenu souvent euh, de l'habitat et du mode de vie des populations, il y a une surexposition à, à ces baisses températures et aussi au vent. Maintenant, pour les enfants, c'est surtout ces aspects-là qu'il faut prendre des mesures pour éviter ce que je viens de dire, c'est-à-dire les maladies bronchopulmonaires. En termes de maladies bronchopulmonaires, vous avez les rhinites, ce qu'on appelle les écoulements nasales. Vous avez la sinusite, c'est-à-dire une inflammation des voies respiratoires aériennes avec un retentissement sur l'appareil oculaire. Et vous avez euh, les bronchopneumopathies qui se manifestent par des toux, avec euh, souvent l'émission de crachats épais, donc de la salive épaisse, et avec euh, des encombrements bronchiques, donc des gènes à la respiration. Voilà un peu ce qui touche euh, l'appareil respiratoire. Est-ce que dans cette période, un style vestimentaire est conseillé à ces enfants pour éviter ces maladies Il faut préférer des habits en coton. Euh, Deuxièmement, il faut forcément mettre des bonnets pour couvrir la tête et des gants pour euh, pour couvrir euh, les mains et des chaussettes. Donc tout le corps doit être couvert, de préférence avec du coton. Et cela concerne et les nourrissons et les enfants euh, âgés à, à, partir de 2 ans jusqu'à 7 ans oui, ça concerne tous les enfants, bien sûr, parce que euh, c'est pour éviter le contact entre la peau d'abord et euh, aussi certaines parties du corps avec euh, le vent froid. Premier élément, c'est comme une forme d'écran de protection qu'on fait entre l'organisme humain et éventuellement les habits. Alors vous l'avez dit, c'est une période où il fait très froid. Est-ce que l'enfant peut garder euh, euh, le même rythme par rapport à en ce qui concerne son bain On, peut laver l'enfant trois fois par jour, euh, un peu plus. Comment doit-on laver l'enfant À quel moment et combien de fois par jour En général, pour les nourrissons, on conseille même un bain journalier. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que ça excède deux bains par jour. Ça peut être euh, des bains d'abord euh, très tôt le matin et un bain avant le coucher. Maintenant, il y a l'eau avec laquelle on lave l'enfant. Cette eau-là ne doit pas être à la température ordinaire. Il arrive malheureusement que ce soit, euh, surtout avec ces période de coupure euh, de distribution d'eau, que ce soit de l'eau qui est séjournée euh, dans des récipients qu'on prélève et qu'on veut immédiatement laver les enfants avec. Donc il faudra quand même la température de cette eau pour l'amener à la rendre un peu plus chaude. Et ça, même avec, euh, en plongeant la main dans l'eau, on peut savoir que quand même l'eau a une température que le corps humain peut supporter et qui est adapté pour pouvoir laver l'enfant. Parce que quand vous mettez de l'eau froide au niveau de l'enfant, vous allez voir qu'il a des frissons tout le long du corps et ça montre des signes de contraction au niveau de la peau et surtout une forme de sensibilité qui montre quand même que l'organisme réagit parce que tout simplement l'eau est extrêmement froide. Ne pas laver l'enfant avec l'eau froide. Mieux vaut ne pas du tout laver l'enfant du tout que de le laver avec une eau qui a séjourné, notamment dans des canaries ou autres récipients. Mais là, est-ce que l'enfant ne court pas aussi des risques de, de contracter d'autres maladies si l'enfant n'est pas lavé ça dépend si l'enfant ne s'est pas beaucoup sali. Deuxièmement, il y a des moments quand les enfants sont malades ou au niveau des services de santé, on demande de laver les enfants avec des serviettes tout simplement, de ne pas les plonger de l'eau et de ne pas les verser de l'eau sur l'organisme. On peut laver un enfant, nettoyer un enfant sans avoir le besoin de le plonger ou de lui verser des grandes quantités d'eau sur la surface. Il s'agit d'une opération très simple en utilisant un gant ou une serviette bien humide, de frotter légèrement avec euh, de l'eau savonneuse ou bien avec un savon et d'utiliser juste un gant et de ne pas augmenter la quantité d'eau avec laquelle on lave l'enfant. Deuxième élément, comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra choisir le lieu où le bain doit se passer. Ça peut être, même si c'est une case, à l'intérieur de la case, ça peut être au salon, ça peut être euh, au niveau d'une douche intérieure. Mais éviter de laver l'enfant au dehors, en, en plein, air. air c'est fortement proscrit à cette période de l'année. Maintenant, autre chose, les périodes. La période, c'est donc, euh, souvent, tout le matin ou le soir qu'on a l'habitude. Mais bon Dieu, on peut demander à l'enfant de se laver à 14 heures une fois qu'il revient de l'école. On peut demander à l'enfant de prendre un pain autour de 19 heures, lui mettre de la pommade de protection et le matin, il fait juste une toilette, il se brosse la, la bouche, il, met, il se lave le visage et il va à l'école. Donc vous voyez que le moment du bain est aussi extrêmement important. Ça veut dire que les pommades aussi sont conseillées pour la peau de l'enfant Mieux que conseillées, les pommades sont indispensables à cette période de l'année parce que la peau se déshydrate totalement parce que nous avons les pommades et les crèmes. La pommade, elle, elle peut déjà être sous forme d'écran, c'est-à-dire une fine couche protectrice diminue la pénétration de l'air à travers les pores. La crème, elle, souvent, elles sont hydratantes, c'est-à-dire qu'elle amène la partie d'eau nécessaire au bon fonctionnement du derme qu'on ne trouve pas souvent dans les pommades, mais qui permettent la prévention des fissures et des gerçures au niveau du corps. Cette période de l'année, quelle que soit la personne, adulte, enfant, et particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées, l'utilisation de crèmes hydratantes et de pommades est indispensable à cette période de l'année pour permettre au derme d'avoir toute son élasticité et de ne pas l'exposer à des désagréments physiques comme des fissures et des gerçures. Il ne faut pas oublier trois parties du corps, le visage, les mains et les pieds le visage, parce que même quand on est souvent en moto ou dans un moyen de locomotion, eh bien, il faut se rendre compte qu'on rencontre souvent le vent et, quelque, et surtout avec la vitesse, on rencontre le vent. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de porter des masques aussi qui empêchent la pénétration de substances solides, des particules qui sont en suspension dans l'air. Les mains, parce que les mains sont perpétuellement dans l'eau, même si on ne se rend pas compte. Pour les pieds, c'est un appel pour éviter des gerçures et des, pieds fendillés, c'est la glycérine qu'il faut appliquer le soir au coucher, le long, au, niveau des, pieds, pour prévenir ces désagréments. Merci beaucoup, docteur Ima. C'était le docteur Mamahima, consultant en santé, environnement. Terminons cette émission avec un mot de sport. Le triathlon est un nouveau jeu qui a été admis en 2000 aux Jeux olympiques lors des JO de Sydney. Il n'est pas assez connu par le public nigérien. Le triathlon regroupe trois disciplines dont la natation, la course à pied et le cyclisme. La Fédération nigérienne de triathlon a vu le jour le 2 avril 2016. Elle a d'ores et déjà adhéré aux structures africaines et mondiales. Abdoulaye Moutari Chetima, directeur technique national de triathlon, décrit cette discipline au micro de Soumana Amadou. Euh, effectivement, c'est un nouveau sport dans le monde sportif nigérien. Donc c'est une discipline en fait qui est récente par rapport aux autres euh, disciplines, mais néanmoins qu'elle a fait des grands jours, euh, elle est même admise au, au, au JO en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Ça veut dire que c'est un sport olympique. Le triathlon, en fait, euh, c'est un sport qui combine euh, trois disciplines. La natation, le cyclisme et la course à pied. Et il y a individuellement. L'individuel, c'est que c'est le seul athlète qui va nager, c'est lui qui va faire le cyclisme et c'est lui seul qui fera la course à pied. Maintenant, il y a une autre ouverture euh, où on peut faire des relais. C'est-à-dire, on peut faire une équipe de trois où un fera la natation, un autre fera le vélo et le troisième fait la course à pied. C'est 750 mètres euh, de natation, 20 km à vélo et 10 km à pied. En dehors de ça, nous avons 1500 euh, mètres de natation, 40 km à vélo et 20 km à pied. Euh, nous avons aussi des longues distances comme on fait en course qu'on appelle le marathon. Nous avons les seniors euh, les juniors et les benjamins. Les mhm. seniors, donc, c'est de 21 ans et plus, de 16 ans à 20 ans, euh, les juniors. Et les benjamins, c'est de 7 à 12 ans. Euh, il y a une fédération internationale, donc Union internationale de triathlon, ITU, qui est l'instance suprême de cette discipline-là. nous avons au niveau de l'Afrique euh, l'ATU, euh, l'Union africaine de triathlon. Donc nous ici au Niger, c'est la fédération nigérienne de triathlon. Cette fédération, euh, elle a vu le jour le 2 avril 2016 et à ce jour, euh, je vous avoue que c'est une fédération qui, en tout cas, est à jour du point de vue juridique. nous avons payé nos cotisations au niveau africain et au niveau international. C'est cette cotisation qui permet à, à une fédération euh, d'avoir beaucoup d'avantages. Et nous, nous avons déjà commencé à profiter parce que en août, euh, l'Union internationale de Triathlon a envoyé un expert ici euh, au Niger euh, faire une visite de terrain, baliser le terrain, en prélude à un stage. Le stage a eu lieu en septembre où nous avons regroupé 24 techniciens, notamment tous les huit régions étaient représentées. Donc nous avons formé ce qu'on appelle les activateurs du triathlon. Donc c'est la base, c'est ceux-là qui vont en tout cas donner une impulsion à cette discipline dans tout le pays. De 2 avril à nos jours aussi, euh, nous avons fait deux compétitions. Euh, nous avons fait une compétition de démonstration euh, le 13 août passé et en septembre, nous avons fait une deuxième euh, juste après le stage pour mettre en tout cas en pratique le C'est des compétitions en tout cas qui ont euh, suscité beaucoup d'engouement au niveau, au niveau des jeunes parce que nous avons ciblé effectivement les forces de défense et de sécurité, à savoir la garde, la gendarmerie, les fans, euh, euh, la police, en tout cas tous les corps habillés plus les grandes écoles, l'université. Et en dehors de ces grandes écoles, nous avons déjà eu des clubs qui se sont formés pour la circonstance. En dehors des clubs, en tout cas habillés, nous avons au moins trois clubs. On est en train de faire du chemin. C'est vrai, ce n'est pas facile pour une jeune fédération, mais quand même, je pense que nous avons posé euh, des actes concrets et nous continuons de le faire. Et nous projetons euh, le 27 de ce mois, le 27 novembre, une grande compétition euh, et là, cette compétition-là, nous avons sollicité même que les gens de l'intérieur du pays qui sont, sont préparés, parce que nous avons envoyé les correspondances déjà, les différentes distances pour les compétitions, pour qu'ils puissent y participer. C'est une compétition de ce qui va se dérouler avec euh, la participation de trois catégories. Notamment, euh, nous avons les seniors, euh, les juniors et les benjamins. On a pris des petits enfants du primaire pour les initier. Déjà, on a fait une première compétition avec les enfants. Nous voulons amener la population à comprendre ce quoi le triathlon, à aimer le triathlon à travers ce que nous allons leur proposer comme activité. Et c'est ainsi que nous allons avoir des jeunes qui vont adhérer et qui vont en tout cas être entraînés pour qu'on puisse former l'équipe nationale. Parce qu'il ne s'agit pas de former une équipe nationale pour la former seulement, non. Mais quand même, il faut former une équipe en tout cas qui peut répondre aux aspirations du, du, Niger, des Nigériens. Parce que si on dit aujourd'hui le Niger en triathlon et dans tel pays, les gens ont les yeux rivés euh, sur euh, les athlètes qui, qui représentent ce pays, les ambassadeurs, et je pense qu'on doit quand même euh, sortir et faire des prestations honorifiques. Donc il, il va falloir se préparer. Mais il faut noter aussi que euh, avant-hier, donc euh, le mercredi, nous avons eu l'invitation de la Fédération marocaine de triathlon, du sport pour tous qu'on appelle ça, pour un événement de triathlon qui aura lieu en décembre, du 15 au 18 décembre au Maroc. Et là, nous avons pris l'engagement de faire participer en tout cas euh, nos triathlètes du Niger. Deux athlètes, Inch'Allah, participeront à cette euh, compétition du Maroc. C'est la première fois que nous allons sortir. Est-ce que c'est l'État qui prend ça, la euh, fédération C'est une triste réalité ici au Niger. Il n'y a pas une politique réelle pour le sport au Niger. si vous prenez, moi je suis un cadre de jeunesse du sport, même le budget alloué tout le ministère de la Jeunesse et des Sports ne fait pas 1% du budget national. À l'heure actuelle, nous avons au Niger euh, en tout cas une trentaine de fédérations. Mais l'État n'a pas en tout cas les moyens pour accompagner euh, les associations sportives. Mais nous, à ce qui nous concerne euh, au niveau du triathlon, nous avons eu la chance d'avoir un sponsor. Depuis qu'on a commencé, c'est ce sponsor-là qui supporte en tout cas tout ce qui est comme des dépenses euh, de cette fédération-là. C'est-à-dire, c'est comme la compagnie Saham Assurance. Ça veut dire que tout ce que nous entreprenons, en tout cas, jusque-là, on n'a demandé aucun franc, ni au ministère, ni à un autre partenaire. Nous sommes, en tout cas, autonomes en fonction en tout cas des possibilités de notre sponsor. Et moi je pense que c'est le lieu d'encourager aussi les autres fédérations pour aller dans ce sens. Parce que s'il faut attendre l'État, je pense que euh, la mission euh, à nous confiée par l'État ne sera jamais atteinte parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour faire la politique, en tout cas du sport. je pense qu'il faut que les gens se débrouillent un peu partout. Voilà, c'est la fin de ces 45 minutes. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.